Héroïne, ma plume salue ta bravoure. Tu te distingues tant par ton amour qu'en face des tâches lourdes. Travailleuse, courageuse sans égale, vitrine du développement, déesse du changement. Tu construis du durable sur des valeurs inaltérables. La vie est un perpétuel combat, tu l'as compris assez tôt. C'est pourquoi tu t'es fixé des objectifs et tu les cries haut. Fille, épouse, sœur ou mère, ta vie paraît stable, mais combien savent ce que tu as bravé pour être enviable Héroïne, tu restes, héroïne, tu demeures. Ah Bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la Fada, le magazine hebdomadaire dédié à la jeunesse nigérienne. Cette semaine, c'est la semaine de la femme avec notamment la journée internationale des droits des femmes qui s'est déroulée ce 8 mars 2020. Au Niger, cette journée a été marquée par plusieurs manifestations et activités un peu partout dans le pays l'occasion pour l'équipe de tous à la Fada de s'inviter à la fête avec euh, un premier élément produit hier. Nous avions donc évoqué avec les amis de la Fada la contribution de la jeune femme entrepreneur et le au développement du pays. Aujourd'hui, je vais vous parler des défis. Ces défis que doivent relever ces femmes eu égard à leur activité qui sont diverses et variées. Cette nouvelle génération de femmes qui entreprennent créent et innovent dans plusieurs pans socio-économiques du pays sont en effet confrontés à de nombreuses contraintes car les chemins qui conduisent à l'autonomisation sont durs et surtout pleins de blocages. Comme le dirait un artiste d'ici. Quelles sont les contraintes que ces femmes rencontrent au quotidien Quel avenir dans leur domaine respectif Nous en parlerons avec certaines d'entre elles qui ont accepté l'invitation à la FADA. Difficultés et perspectives pour les femmes entrepreneurs au Niger. Ceci sera notre thème du jour à discuter avec nos invités. Tous à la FADA est parti pour 35 minutes d'échange, agrémenté de pauses musicales avec euh, aussi la chronique et la rubrique. Restez donc à notre campagne. Les femmes ont pris les commandes sur l'émission. Je suis le seul mec localisation géographique Ergo, kasuwa jamaji zena ay gogo fu kuku dogo banda gondi kuku dogo ministère des finances ta jogo na bederen place de la culture nigina newese difficultés et perspectives pour les femmes entrepreneurs au Niger nous sommes avec euh, Madame Ousmane, paradis des femmes. Nourat. Dandy. Merci pour la chanson. Merci. Bisous Rachida. Matano oui, ça va. Nous allons recevoir en tant que euh, secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. Il faut que tu aies quoi hein. euh, Kundano furtage da zankai wani hmm. kainga tangam ama ihala a keki. Awa ide biden chapa neo emission no ni sikala misali ga labuwani ni kagu turise se kuna zama no promotrice de culture no nuyo nugo modora ramat ke gicida mhm. irgo gun kubayna mission go merci beaucoup daga tare no daga ne ne kukkan no argon masalan dai no wallahi irgo ni masala o masala din sanin irkan da eh, usola kunu ay charan se indaran no fa kal kokko an karanci ngin regte ce que femme veut dieu veut des fois c'est que dieu veut Femme s'en fout. Femme aussi veut. <laughs> Attaquons déjà notre première partie de questions. Mesdames et mesdemoiselles, c'est votre semaine dans le cadre de la célébration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes nous allons aborder avec vous des questions relatives à vos activités et projets. L'occasion pour chacune de vous de nous parler brièvement de ses débuts, notamment de savoir si votre actuel a été difficile ou embarrassant. Hajia, mhm. Madame Ousmane, mhm. Nenreg Sintinda, Matikinano Sintinda, Hal Sintin, Matneo Kanuto, Eski Nudu, Masaleyan, zamo Drawara, no Kandirun Kunirgo Chichirma et Bonzano. Comme ça, ligine Guinéens, voilà, imina aram aram un problème et donc ay wo dai zanga no kana si ay kolo nan za ne mon cinquième o oh, nugo ne ndi kolo no mun ba tayen wono nugu babu tayen won bono ga bani se o tayen won bono ga bana bono na fatta lo kolo nan ka cinquième nena hmm. ay koy apprentissage je fais 6 ans d'apprentissage avant iganda son zan kai man ta fufa irgidar ce ga zaman ga fokal man ga fur sifarga ayu borzo go ba kan sifarga wallahi sifarga burakan oh. ne formé c'est pas nigérien hmm. mais zanga c'est takurawa hmm. mais vraiment je l'apprécie beaucoup parce que kuna alhamdulillah depuis 2006 j'ai mon diplôme OK donc depuis 2006 quand ai du ai diplôme mo ai fait automatiquement atelier avec machines, is des tables ni des yar tonuga amma da hankan madan usman ce ane inga wo halan ga gutone hay kulkan de borgi hinga melika ta tabi inga moizotiya no on artiste no emission o hal nag to artiste ra dimmo inda madi yen fa kare or anten ane ni don go goy foyante kan ka artiste taradin to ay min ha tabunu ninka ara walmo binde dono deno nan dan ara kanda do mono ka girno ka kanda de shay sinir gu sukoro kam euh di am sare do ne tout début est difficile masal wallahi di masala parce que ay ozake wozang sansama doni ka wala club culturel e kole wonede ikurna de doni kalir ka université ka garan so lokati angar doni ay fo ka ka fo ay fo yam Mais je me suis dit, kan bor Mais à part ça, avec mon diplôme et aussi avec l'entrepreneuriat, j'ai une entreprise de transformation agroalimentaire. Je faisais des couscous et tout ce qui va avec. Après, me dire quoi, mettre sur la scène comme ça, je me sens plus que quand je suis dans mon entreprise. Hmm entreprise c'est ma passion. alors j'ai bien voulu j'ai décidé de vivre ma passion et c'est ce que je fais bisous votre première difficulté semble commune parce que Anamade, je sais que tu as vécu aussi la même situation que les autres ça veut dire que tu as aussi galéré avant d'être là où tu es. Ah sinon pire. Sinon pire. Alors, que vous venez de divers horizons, mhm. qu'est-ce qui fait selon vous que c'est toujours difficile d'entreprendre au Niger et surtout quand il s'agit d'une femme euh, Je crois que c'est surtout la perception des gens. D'accord. quand on parle de pratiques socio-culturelles néfastes, ça est là, ça existe. Tant. sanda societa mm. igidino sanda demo yamu wai borkan ga hamu misali ga prejudice du cliché voilà a ginga bondan hmm. ceci da tangam sanda domin kan igo gidi kan alborai wanno ara watirin cinano aran gidi prejudice ga ka hmm. iga iga bor tumu tumu ya tumu yan kan a tumu yan kan gine ingino no gote igici din ka gori kan bu garin du bora furu han fon bora dukuran din bora agne ba ciro ni singa da ni halban timoso ni di wala wadin ma ga se binde bor sinan hankan ga kanisi zama bor mutan gam hankan ni bas ide ne ma de hankan bizo ci bizo kan ga bo zaman kun chapen de no kanda ai e, aram bo anan ngi chapo bo loket ma digen de kul kayango emission go bo hawaide fatayan wo asite bani bon ba kaina irga bay mo kan ni goga evoluer no labu fora aha ne wo ifo deno nin katar e ni no woni dikka asite ni ne wudu du du ay mo go kude bon te kono ni ganga ko nan kan ni go mo binde matci na na te <laughs> ai ba ga te ko san buga kawo kai dan dan dai sai suka yi te ko san buga kafu wani mo yare na dai mai sa tambu ko yi kwara wani mo yare ka tar hawa wo boro am tunde gilin gila bonan ge ga ka ganin ga mun ga bo ka tibi Masala, déjà dans le quartier où je vis pour commencer, parce que mm. moi je vis à Gamkale, je suis Gamkale 100%. Ok. Big up à tous qui écoutent <laughs> l'émission oui. depuis Gamkale. Eh, vous avez une Gamkale sur l'émission. Elle ah est née oui. à Gamkale. Je grandi suis née et grandie à Gamkale. Bonditare à Gamkale. Wallahi, ya kul Gamkale nate. Gamkale ra. Irgo hangani sawa. Oh. Ver kasofo monaga. onaga. Ah. <laughs> Pas de sanino. <laughs> Pas de Mais bon, ayo, oh, masala, J'avais pas envie, je pense, euh, au début, c'était un mariage avec mon cousin qui m'a fait partir. Madigan, tu voulais ajouter quelque chose C'était concernant ce que Madame Bizot disait tout à l'heure. La preuve, moi je suis dans un domaine qu'on catégorise domaine d'homme, la livraison. La livraison. Il n'y a pas de domaine d'homme. Bon, c'est ce que les gens pensent, je dis bien, ce hmm. que les gens pensent. À chaque fois que je parle ou que quelqu'un me demande une, livraison, il dit monsieur. Hmm. Au téléphone, j'ai l'habitude de parler avec quelqu'un. Il entend ma voix, c'est une voix de femme, mais il va mhm. continuer à me parler comme si c'était un homme. Mm -hmm. J'ai mais, mais je suis une femme. Mhm. Avant-hier, j'ai eu ça. Mais ni diversion wara mat kanago faire lubu odun koyro ni isi che chiga ba muru gabisa isin dorandi fadi sanino ay fadi no go hay fadi <laughs> ndir go man parce que ça fait pour difficulté ngol kan ou bari di agu daran difficulté ra bien sûr agu daran go di man tingu mur ngi si dem bono bien sûr ça arrive chay borem ci cer c'est fadi ndir go non mais ci non mais on revient à vous je sens que tu as beaucoup de choses à dire l'artiste s'exprime nous recevons cette semaine sur l'émission Franco Zarma In queen Inwe Borodanji elle va nous parler du collectif Son Niger on kiffe Nourat avec la chanson tout ce que vous voulez savoir, c'est tout de suite et maintenant, à travers cette rubrique de l'émission Tout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Noura du collectif Son Niger s'exprime. Hey. Vous, vous, rappelez certainement de Nourat. Elle était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss euh, Rim. Nous avions évoqué la carrière artistique nouratique. Elle a commencé en 2015 pour rappel. Elle a évolué au sein d'un collectif plume du Sahel. Aujourd'hui, nous allons parler de notre collectif au sein duquel nous Nourat évolue. Soniger, On vous l'a déjà dit hier, nous, nous avons une fois reçu ce collectif sur l'artiste s'exprime. Ils nous ont parlé de paix. Parce que sans paix, nous ne serons pas ici à présenter cette rubrique. Nous la machine te souhaite la bienvenue une fois de plus sur cette émission. Comment tu vas Ça va très bien. Eh, hey, dis-moi que tu pètes la forme. Yeah. Tu es artiste islamien, je t'ai tenté avec euh, le chant. <laughs> Euh, oui. à la petite, ou je ne sais pas qui est-ce qui a la petite de dire que tu dégames, tu chantes faux. C'est ça Ouais, Mais tu t'es quand même très bien débrouillé. En tout cas. Ouais, parce que le slam et le chant, ça fait deux choses. Nourat. Oui. Cette deuxième partie de la rubrique L'artiste s'exprime. Hein. Là, nous allons parler du collectif euh, Soniger. Mhm. Qui est ce que tu représentes au sein du collectif euh, Soniger, c'est un collectif de huit filles, artistes. Je suis la chargée de camp. Tu es la chargée de camp au sein du collectif Soniger. Après la chanson sur les élections apaisées, Nourat, nous vous vous êtes revenu en force avec une nouvelle vidéo sortie il y a à peine une semaine. Oui. Parle-nous de cette vidéo et pourquoi l'avoir produite. D'accord. Euh, la nouvelle vidéo s'intitule euh, Weiboro Oui. Ça veut dire quoi Danji Dame de fer. Dame de fer. Ok, donc c'est Dame de fer C'est une chanson que nous avons dédiée à toutes ces femmes d'attente du Ok, Ok à toutes ces femmes qui se lèvent tôt pour que le développement du Niger puisse euh, progresser, uh-huh. à toutes ces femmes qui, dans leur famille, sont des vraies, vraies, vraies battantes. Uh-huh. Alors, on vous dédie cette chanson. Et comme mars, est le mois de la femme, uh-huh. nous avons voulu euh, lancer le son le, le 8 mars. On a eu une idée quand même de la chanson. Nous sommes donc à la fin de la rubrique. Mm-hmm. Un message à l'endroit de toutes les femmes. C'est la semaine de la femme ou le mois de la femme. Alors Mourat, toutes les femmes du Niger sont scotchées et elles t'écoutent. Vous êtes des reines. Vous êtes vraiment des reines. Le développement du Niger passe par vous. Vous êtes des femmes battantes. Vous êtes le pilier de la famille. Alors ne baissez jamais les bras, peu importe le domaine. Tu es femme, crois en toi, parce que ce Niger croit en toi. Ami Farahan, c'était à l'instant de la rubrique L'artiste s'exprime. Nourat était au cœur de cette émission. Nous sommes toujours sur Tous à la fin. L'émission, vous le savez, est consacrée à la jeunesse nigérienne. Notre débat du jour porte sur les difficultés et perspectives pour les jeunes femmes entrepreneurs au Niger. Nous rappelons que nous sommes avec Awa ID de YB. Nous sommes avec euh, Rachida Bizo. Nous sommes avec Nourat, elle est artiste. Nous sommes aussi avec euh, Madame Moussman, paradis des femmes. Ah, Est-ce que vous avez reçu chacune en ce qui vous concerne des appuis extérieurs pour mettre en œuvre vos projets ou vos entreprises. Est-ce que aran hayawo o Karangote, Arangodi misaliga, gode misali kan ya Est-ce que aran godu Euh oui. Euh, justement, je dirais que le premier soutien dont j'ai bénéficié, c'est celui de mes parents. Parce que je me rappelle très bien, euh, depuis l'âge de 13 ans, ils m'ont toujours encouragé dans la voie que euh, je voulais emprunter. On était avec les Nourats, je, je, me rappelle très bien. Et les soutiens aussi, ça venait des ONG. Donc, euh, présentement, dans le cadre où je suis, nous sommes en train de piloter un projet qui s'appelle Initiative des jeunes en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Mhm. Et c'est un projet qui est financé par euh, Oxfam Danida. Donc, euh, je pense que nous bénéficions de, soutien dont nous avons besoin. Et ce cadre aussi est appuyé par la CONIT, la Coalition des organisations des droits de l'enfant oh, nama boro ngo ane kaloro ne je ngo ngaiga haji boro est ce que arangou wo gudu gayan aran go kar aran go zama aran deno bo ko centre de formation et aran go bore formé hal dal bore yan hein, imay aran go <laughs> gina <laughs> eh, de gina o bore bénéficier da formation <laughs> hajia paradis des femmes uh-huh. hajia uh-huh. est ce que arangou go du gayan ro aran go bore ga kusigega kadayir ko aran gayan wuce cimo wal mo bindaran go gorgo bature nim ka garanga hmm, ay wal man gayan kulcici ay man dina ka hara ganan bon hmm. ay har harno kan kanai si kan ay goti kuciro kan ay te banda après la couture ay di kan ay go formation yente kan ai kamata kwaite ingano no kai ko formation o odinte en même temps ay na kan bazibora ay no ranent hmm. an nan formation da ne ti en même temps ayna centre feri yiganda atelier de couture on fait la couture erga bore dondon di tayan hein. on fait cosmétique décoration cuisine pâtisserie akul make-up attache foulard donc ikul no ergti eh wallahi ne naran se hajiya o daran be karangi wallahi aran maga hajiya dandu garang ba eh, ay ba ayo e ba lokolo kan ayin nan son dai duda ai miye ni. ne na miye san kem go konti ah, na e season o mo siya dai miye lokacin ayin nan ne son kan ai wani wani kul ni ba nim ai ga ba ekolo to wala aran go ma jase nurat en tant qu'artiste mhm. c'est pas facile d'être artiste au Niger pas du tout je vis avec vous <laughs> vous êtes traité de tous les noms vous êtes très mal vu. Dès que tu es dans le domaine de la musique, même en étant homme, c'est pas chose facile. La musique est considérée comme synonyme de délinquance. Hmm. Donc moi, j'ai déjà une idée de ce que tu vis. <laughs> Mais il

Tu en rencontreras, c'est naturel. D'autres te traiteront de gazelle, d'autres d'hirondelle, mais n'acceptent jamais d'être leur poubelle. De manière structurelle, tu verras ceux qui se présenteront à toi avec beaucoup de potentiel, ma fille. Tu verras les hommes trimestriels, les hommes semestriels, les hommes annuels, les hommes pros. Mais viendra celui-là qui fera de toi son essentiel. Tu seras son arc-en-ciel, je te jure, ça ne sera pas de l'habitude. La femme n'est que objet. hey, <laughs> eh, Loquette, je sens que tu voulais intervenir sur ce deuxième angle. Tu voulais ajouter quelque chose, Loquette. Tu rappelles que tu es aussi artiste. Tu étais connu au sein de la CAC. La CAC, c'est la commission des, affaires, culturelles, que tu as d'ailleurs dirigée. Exactement. L'université Abou Moumouni de Niamey. Exactement. Et justement, en tant que dirigeante même, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que euh, une femme dirigeait une commission parmi les étudiants vous connaissez comment ils sont. Euh, toujours au, premier semestre, ah, à première session. Exactement. Quand je monte sur scène, parce que quand j'étais à la CAC, je faisais la danse, du théâtre, je chantais dans l'orchestre aussi. Donc du coup, quand on me voit, oh, c'est les gens des filles qui sont venues passer et puis rentrer à la maison. Voilà, elles, ne vont jamais réussir. <laughs> Parce que moi, tout ce que je fais, je le fais vraiment bien. Bisous, tu euh, voulais ajouter quelque chose Justement, je voulais ajouter à ce qu'a dit la grande sœur euh, Loquette. C'est que les femmes on a de la matière. Nous avons beaucoup de choses à offrir. C'est pourquoi dans chaque chose dans laquelle nous nous, investissons, c'est pas on que fait les matos, de notre mieux. vous avez de la matière. Ah oui, on fait de notre mieux pour exceller dans notre domaine. Et vous voyez aussi, vous avez vu le résultat. Dans chaque chose qu'on touche, on transforme en or. Ça, c'est vrai. C'est ça la femme. On va prendre une petite pause musicale. tout le monde a beau chanter, tout le monde a beau dénoncer, puisqu'elle rencontre des difficultés. On va écouter Métaphore. Tu connais Métaphore Crew Oui, je connais. Vous aimez Métaphore Ah, j'adore. On va donc aller avec Métaphore n'est-ce pas, Awa idée On achinta la formation métaphore. quoi? ma Ensuite et tout de suite la suite. Barco, carro, mauro, ake na ta aka cika bata ka shigo man ce kasa ba ita ce shirba mai shago mace fa hankuri da shuna ka jawo nasara dan ba da ni ba ta tafi ta labban sa ta zaman to sai kai aka shi kullum kana make ta kai ta da giya da kama ke ta ma shi bidi kila tan da ba sai san fa C'était à l'instant Métaphore Blues sur l'émission Doussa la Fada, une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. C'est cette chanson qui va donc euh, accueillir Mr. Olivier pour la chronique de l'émission. On suit Olivier et tout de suite la suite. Bonsoir à tous, amis auditeurs et auditrices de la FADA. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la FADA. Ce soir, dans la chronique, nous allons rendre hommage à Djibril Tamsir Nian, auteur du célèbre œuvre Sunyata ou l'épopée Manding écrivain et historien guinéen, Tamsir Nian est décédé le lundi 8 mars à l'âge de 89 ans. Il a succombé des suites de la Covid-19 à Dakar au Sénégal où il vivait ses dernières années. La nouvelle a été annoncée à un correspondant de l'AFP par son petit-fils et homonyme Dibril Tamsir Nian. Alors, qui était l'homme et que peut-on retenir de Dibril Tamsir Nian Outre son engagement contre le régime de Sékou Touré, à l'époque président guinéen et son passage en prison dans les années 1960, le nom d'Ibril Tamsir Nian restera gravé dans l'esprit de plusieurs générations des pays d'Afrique francophone. Son œuvre emblématique Soudianta ou l'épopée mandingue, publiée à l'orée des, des années 1970, a été pendant longtemps inscrite dans les programmes didactiques. Djibril Tamsir Nian a également dirigé la rédaction du volume 4 de l'Histoire générale de l'Afrique, un ouvrage qui a été rédigé pour l'Organisation des Nations pour la science et la culture UNESCO et qui a pour objectif de remédier à l'ignorance sur le passé du continent africain. La mort de Djibril Tamsir Nian est une perte pour notre pays, pour tout ce qu'il représentait. C'est une bibliothèque, mais il a consigné par écrit son savoir et maintenant, c'est à nous de transmettre cet héritage à travers sa bibliothèque qu'il a fondée et qu'il porte son nom à Conakry. C'est ce qu'a déclaré le petit-fils et homonyme de Dibri Tamsir Nyan. Par cette chronique, nous rendons hommage à ce grand homme qui a alimenté et qui continue d'ailleurs d'alimenter l'intelligentsia africaine. Voici pour vous deux de ses pensées tirées de son œuvre Sundiata ou l'épopée Manding. Il disait L'homme est pressé et le temps est long, mais chaque chose en son temps. La peur entre dans le cœur de celui qui ignore son destin. La force se fait sa propre loi et le pouvoir ne souffre aucun partage. Si petite que soit une forêt, on y trouvera toujours suffisamment de fibres pour lier un homme. Et si je laissais Tamsir Nian, conclure cette chronique, il dirait que la sagesse des hommes est contenue dans les proverbes. Et quand les enfants manient les proverbes, c'est signe qu'ils ont profité du voisinage des adultes. Repose en paix, Ibril Tamsir Nian. À l'instant, c'est la chronique de l'émission Tous à Fada, une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous écoutez donc euh, toujours Tous à Fada. Notre thème d'aujourd'hui est difficultés, perspectives pour des jeunes femmes entrepreneurs au Niger. Pour en parler, pour rappel, nous sommes avec Hawaïti, nous sommes avec Rachida Bizo, nous sommes avec Nourat, Madame Ousmane. L'enquête est dans la place, Madi est là, est là, c'est une fada constituée d'un seul homme et de beaucoup de femmes. Parce que homme fa kan bande mission bongo tarena ago gune astag salam bongo go On le sait depuis 2020, le monde est plongé dans la pandémie de la Covid-19. Quelles sont les conséquences de cette crise sur vos projets Bokul salam madame Ousmane Ninir Sintinda. Covid 19 tayangone asa borguru nu bondano num kwai ta <laughs> masalan da masal fonwar ndo haja za covid o sintin ka iro son solution nirgo ce ci aransi Donc, COVID -19. donc on a arrêté le travail. Quand Covid élève sika. Hmm. Ana di Sang 2020 ah, Parce que ba boray manu kurɲa bono se dim fatta quoi pour commencer donc du coup ina kurai gai to watir alo to di fono arangote je fais la couture mais borai kan go kange wo kago don don no ah. ils vont venir apprendre mais ay wo a kan ay ta je fais la couture moi même ah. so nin da madam si ayan oh. ay ta si nin ta wallahi mm. covid gona si asbora sidir ah, kone ya kwa da mm. sanni <laughs> no asia paradis de femme ba may mono go ngun kamba sambo nous sommes en classe enseignant ngo ngetal bo go bore ko nu ne go chondi ko may muna digo ne kam sanni ay go ne kam sanni dugo sigde no turara sigde no covid do wate sigde turara sigde safuno sigde kan fatta ko hi kay e du bucay do zami je mbono a am mon do ne ne boni gayi bore sigde asbora gi jire nam am dugu wala <laughs> mu irna savon ai da goma shi irni gisi iri ye gel iri ye eh, gel hydroalcoolique ko savon liquide iri ye savon eh, musu wono kan kan banyo so ka irfo irna haya transformer irna problem wo yiti opportunity ruwa de no ruwa wor fata wayi dullora sanga za gor kan kam nonu no gudu fondo kan fatta irne karin su ko hijado ir tar safun kan garan kan banyo kan garan kan <laughs> banyo <laughs> bonje safuno di karadin dai aran da bare gaba mata masu dubara bizo Uh, ah, oui. oh, aigi ba im tonton irin bo irin do harai covid do kayan akandir sai masal bobiyan zama problem fo an gon ka ir gogi ci irin mu bonza covid o wa tara i tɔntɔnnu violence conjugale yan nu tɛ chômage ono zan bori yan goy bori yan kan gonde goy covid o wa tara ini goy gay i go fu zan kai école koy yan ono watirin cinano aran violence fo sinting so bay tonton aran watirin cinano aran tonton covid onir masalay tonton daynu mm. zan ba ir partenaire ibum bo kan girsé. aran di financement fo an kan igi samuno irmi morgu ga goyote ine isi charmorgu koyni kali kandirga masala ya charmorgu yan sino yadi nga nor sino yadi goy mo sino irbu mboyr gor fuirte handu yinkir go fu gor aran go chargune irgo chargune problème gidi problème yi kalir masala sala réseau social boyr mu ci hankanno go te kan sigite irmu char sensibiliser yadinda irmu te webinaire yang ci Hankano sigite amma dai wo kai char morgu yango zama han foyan hang chandiyan daman tibora moiz ka moiz rana aran go salangi char mirano hmm. asti uh, je pense que ce qu'on doit faire, c'est d'être solidaire et aller vers eux qui ont Internet, euh, tout ça là, mhm. pour pouvoir vendre. C'est une très bonne idée. a le COVID, il faut retourner vers eux. Moi, c'est livraison, Covid,

Ah, Loquette, toi c'est Loquette. Loquette. Est-ce que vous entrevoyez progressivement la fin du tunnel ou c'est toujours le doute et l'angoisse solution Vous pensez qu'il peut y avoir une solution parce que déjà, tu as vu que tout le monde a évoqué une situation pas facile avec la pandémie. C'est vraiment pas facile. Nous, on est carrément euh, en arrêt. Hein. On est carrément en arrêt parce que vous voyez des issues de sortie Vraiment. Mais maintenant, oui. Maintenant, ça va un peu. Ça va parce que nous, on travaille surtout avec des ONG, et euh, des associations. Et avec euh, la Covid, les, ONG et les associations ne travaillent pas. Donc, euh, on a des projets, mais on est en arrêt. Nous sommes à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Une dernière question. Est-ce que l'entrepreneuriat féminin a de l'avenir au Niger Et pourquoi Je commencerai par Madigan. Chacun donne son point de vue. Irban, Plata, on fait le tour de la table. Beaucoup est-ce que Agonda venir entrepreneuriat des femmes au Niger Bien sûr, parce que les femmes se battent pour ça. Et on va y arriver. Loquette, nous, maintenant, tu penses que tu es du, euh, euh, du même euh, avis que. Oui, je suis totalement confiante. Sincèrement, je suis. Parce que si vous voulez vérifier, allez-y sur la page que, que j'anime, La Nigérienne est belle. je fais vraiment la promotion des jeunes femmes nigériennes qui se battent tu crois à l'entrepreneuriat Vraiment, j'y crois. Je sais que non, ça va, ça va aller. J'ai confiance en ces, femmes-là. Je sais que on va changer les choses. Vraiment, c'est même en train de changer. Et on va rien lâcher. Madame Ousmane, arango mhm. arango di entrepreneuriat de centre de formation au karangoti avenir gase néo labora. Wali sigi de aran sida to aran to aran ganarfa. Wala aran di agti. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y a espoir. L'artistique au Niger a de l'avenir. Tu y crois Pour moi, j'y crois sincèrement parce que pour moi, peu importe le domaine, la femme reste et restera au cœur du développement du Niger. Je poserai la même question à Rachida bisou euh, je dirais que oui. Parce que avant, quand vous allez faire euh, la comparaison avec euh, euh, il y a 10 ans de cela, vous n'allez pas trouver autant de femmes actives, autant de femmes qui sont engagées pour une cause dont elles croient vrai réellement on a du potentiel et ce potentiel là ah, on le mettra eh, au développement. vous avez du potentiel. Eh, eh, Awa, l'entrepreneuriat féminin a de l'avenir au Niger Oui. Vous pouvez me donner raison Pourquoi Selon Faut vous y croire. Mhm. Le seul truc, c'est croire. C'est pas quelqu'un comme elle, elle a dit. Fermez, non, c'est vous qui avez dit ça. Fermez les yeux et continuez, ne pas écouter ce que les gens disent à gauche. je préfère mourir incompris que de passer ma vie à m'expliquer. Ah, surtout stressé awo oh, mai da an kan bora ba kula mici a ah, kuka ba ayo bai nan kai go bai nan kai ai ne ko faransi bai ai sai mi ai ne ko faransi ai da mudun kai na ne boro ai ne fa sai mudun no dan boro ba sinigin mo in dai mudun kan ai dai nim ne fa sai gada su ba sa dan ni mudun ai dai mudun dan fa ah wallahi dan <laughs> ta maimuna nous sommes à la fin de l'émission nous cherchons des solutions irgo ceki solution yan irgo perspective en tant que woyboro keyen fonu nu gonda barkangi ngaran gase keyen fonu nu gonda niger wo bora kulse keyen fonu nu gonda gomnato se keyen fonu nu gonda bora kulka yan goge emission hangan pour que aramo im e kambu dangaran se im yardaran ga im e na aramo aram ma zada de matkan alborai zada Adalla. Eh, eh a gindikai goce e ce kan gaisi a gwamnati inganta ONG bore ci imsi farga inga mun bogo di matkan wai bore goko kar. hun kun bar kulkan ma ONG go bai kan fisbilla tangamo ki go kan wai bore sai go inga hina da dan kulte to inga yi mun da sim ton inga yi wani kokaro dinga wai bore ar kan go gudu tangamo yan wajen wasu goro me ga himmadan Wakan kan wani biyegin calamo dondonan na fa masu gurkan nin wani wani bangudu nu fulan zam a bandai ne ya a a zaguni calaga zaguni calaga armu duga biyar carbandi ne dimo bore ya dai no taf kaf livraison gono giral bore no go wallahi ne na ran sai na fama ne me no ngan du way bordan jai ran se kirban ka dair ko mirka be hino dirkan labar fogtonan da do Que Dieu bénisse le Niger, son peuple et toutes les femmes du monde.